Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, euh, chers internautes qui nous suivez, nous sommes ici au centre Frédéric Ozanam, ici au niveau de Warang, alors c'est un centre euh, qui euh, a beaucoup de métiers, comme vous le voyez, habillement, euh, mécanique, électricité, restauration, hôtellerie, menuiserie, couture, auto, générale, solaire et cuisine. Alors ce centre donc a beaucoup de sections à l'intérieur. Et nous allons découvrir le centre Frédéric Ozanam. Alors un centre qui, qui forme beaucoup de jeunes ici au niveau de, Warang et des jeunes qui sont à l'aise ici au niveau du centre et nous allons le découvrir, nous allons rencontrer tout à l'heure le directeur. Il s'agit de M. Gilbert Magnier et euh, donc du personnel et euh, des élèves. Donc, euh, suivez-nous. Nous sommes avec le directeur, il s'appelle M. Gilbert Magnier et nous allons laisser, le se présenter et nous expliquer avec ses collaborateurs donc euh, l'origine de ce centre, c'est-à-dire la genèse et puis euh, les performances et bah, en fait euh, comment ce centre, comment il travaille au niveau de ce centre. Monsieur Gilbert Manier, bonjour. Le centre Frédéric Ozanam, il a été créé en octobre 2011 sur un objectif principal donner les capacités à les jeunes de la petite côte d'avoir une qualification en formation professionnelle. Et ça, c'est l'expression la plus importante, c'est la formation professionnelle. Le centre Frédéric Ozanam a mis en place cinq filières de formation, mécanique auto, électricité, couture, menuiserie et restauration. Ce centre, s'il fait cette euh, demande, c'est grâce à la demande sociale et à la demande de la population. Avec euh, les euh, euh, résultats que nous avons l'année dernière, 100% en restauration, 90% en électricité et 75% en habillement, je pense que le centre est en train de faire de, de bons résultats et la formation, les anciens même en témoignent de cette formation de qualité qui se livre ici. góor baxna jigen baxna té li te firndel moo koy firndeel gis ngeen euh, soxna Coro di koo xamante ni élève le fi ci centre bi gis ngeen mi ngi def électricité machallah dañ ko jox kàddu gi rek mu wax ñu mom lan mo tax mu choisir li nga xamné moy électricité. dama choisir métier parce que société bi ñu dund dañoo yaakaar ne métier bu nekk rek góoroo ko war def même jigen pas jigen et que man j'aime sortir de l'ordinaire dama bëgg génn ci loo xam def yoo xamante ne pour wan jigéen ñi ne ko lu góor mën rek jigéen mën na ko te ah bu ma jëlee électricité peut-être mën na ma servir ëllëg ma doon bokk ci ndaw yi nga xamante ne nañ contribuer développement wu réew mi ba nga am sa diplôme boo xamante ne bu ëllëgee doo dépendre ci kenn je m'appelle M. Alphonse Faye euh, voilà je suis élève du centre Frédéric Ozanam j'ai commencé mes cours euh, voilà euh, depuis l'année dernière quoi. je suis Patrick Abdel Almami et j'ai commencé les études au centre Frédéric Ozanam depuis trois ans de cela j'achève ma dernière année cette année. Pourquoi vous avez choisi le centre Frédéric Ozanam j'ai fait mes recherches euh, sur internet. Après, je sais que voilà, il y a un centre qui, se nomme Frédéric Ozanam qui trouve voilà ici à Warang. Et après, bon, j'ai fait les recherches. Après, je, je, suis venu dans le centre prendre mes renseignements. Après, sur cela, j'ai vu que c'est un, une école vraiment euh, qui est très intéressante pour moi. Je suis à ma deuxième année. Je termine cette année-ci. Bon, je compte euh, faire une chose dans la société, c'est-à-dire développer l'électricité, l'ingénierie en, en électricité ou en industriel, être un, un, professionnel, un professionnel dans, dans ce cadre. Euh, Fini une nekk section couture Euh, maa ngi fii ak euh, donc euh, ki nga xam ne mooy seen prof di prof couture bi di Moustapha Gaye Moustapha Gaye mu buggoon xam rek maanaam jàngale li nga xamante ni mooy ñaw surtout si salle de classe métti na. waaw jàng bi moom mu ngi évoluer bu baax parce que tamit fii niveau boo mënti ñëw tamit niveau boo mënti tool niveau CM2 niveau sixième dinañ la mën a jàngal nga xam. Euh, culture bu baax aussi tamit maanaam nga xam objectif yi nga xamante ne maanaam moom nga si war a euh, def aussi tamit maanaam culture dafa doon loo xamante lu am solo la te aussi tamit maanaam euh, neex na neexul bien sûr parce que jàng dafa métti mais tamit soo góorgóorloo tuuti fii nii am nañ ay formateurs yoo xamante ne yu extraordinaire la yoo xamante ne nañ leen mën a jàppale teete leen ba li nga xamante ne ñoom loolu lañ bëgg si culture mu mën a am am na ñoo xamante ne formé nañ leen ñii ñu ngi seen ñii ñu ngi seen diplôme am nañ seen i liggéey ñii ñi nga xamante ne yoruñ seen diplôme parce que dafa am ñoo xamante ne maanaam formation concours CAP la ñuy def am na ñoo xamante ne seen niveau nag tolluwul foofu noonu ñii ñi ngi seen atli façon yi demee noonu te aussi tamit maanaam ñu ngi siy gis avancement bu baax aussi tamit. lépp loo mën tey fii laa ko mënee lépp loo mën tey fi nga ko te balaa ñoo dagg dinañu expliquer def traçage ñu remplir ko suñ kaye ba pare soo ko dagg. Mhm. soo génnee loo bëgg a def. su ma génnee dama bëgg a ubbi sama atelier bopp moom laa ñaan yàlla instant yi de jamono bi ñu toll liggéey dafa baax dama bàyyi jàng ma obligé samay parents pour ñu andi ma ci centre bi pour ma def ci formation couture. maa ngi sama bépp morom bu bàyyi jàng nekk sa kër ga di togg ka yàkk togg ka yàkk dëgg la si jigéen mais pour nga am sa liggéey dimbali say parents ëllëg ndax instant yi mën nga nekk xale ñu di la jàppale mais soo demee ba tollu yenn niveau yi kenn dootu la jàppale. Le secret euh, repose sur une véritable détermination personnelle et une détermination d'équipe. Euh, je ne crois pas à l'homme providentiel, que ce soit pour un pays ou que ce soit pour une organisation. Je pense que euh, les choses se font bien si on les fait ensemble et si on réfléchit à plusieurs. Donc une pensée collective, une pensée d'équipe, une pensée communautaire est bien plus forte qu'une pensée individuelle. Donc cette pensée, elle a été construite avec l'équipe pédagogique, puisqu'il y a à peu près dans ce centre une trentaine de personnes adultes qui travaillent, qui interviennent auprès des jeunes à tout niveau. Et la pensée pour ce centre, elle repose sur deux principes. Premier principe, un pays va avoir un développement fort et économique s'il investit dans la formation, l'éducation et la formation professionnelle qualifiante. Et quand je dis investi, c'est investir pas simplement financièrement, c'est aussi investir dans le soutien des équipes pédagogiques et de formateurs. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que cette formation professionnelle, technologique, doit être nécessairement en appui avec le monde de l'entreprise. L'entreprise doit avoir toujours à l'écoute la formation professionnelle pour dialoguer, pour dire leur justement leurs interrogations, leurs besoins et que la formation professionnelle réponde à ces besoins. Aïcha Mané, donc euh, vous êtes élève en première ou deuxième année je suis élève au deuxième année de CAP. Pouvez-vous nous, expliquer comment ça se passe Ça se passe à merveille. Moi, je suis étudiante à l'Université Vitière du Sénégal. Bah, J'aime trop cette école parce que depuis sa création jusqu'à nos jours, elle présente que des bons résultats. Et c'est ce qui m'a poussé de venir faire ma formation ici. Ici, on fait toutes les cuisines. il y a la cuisine française, anglaise, même France, même sénégalaise, même on le fait. Et puis ça se localise même pas sur la cuisine seulement, on fait pâtisserie à la fois et d'autres euh, sections. <laughs> C'est Jacques Diatta. Jacques Diatta, donc pourquoi vous avez choisi euh, euh, de vous former ici au centre Frédéric Ozana Bon, j'ai choisi ce centre parce que c'est un, une centre de référence et ils produisent euh, de bons résultats. Oui. Et les formateurs sont compétents. Tu as fait J'ai fait deux ans. Nous sommes dans le restaurant d'application. Ce restaurant permet aux apprenants de pratiquer, de faire le service. base euh, pédagogique, c'est axé sur non seulement l'apprenant, mais sur les compétences qu'il devra acquérir à sa sortie. N'est-ce pas Donc on ne forme pas pour former. Le terme formateur, il faut qu'on lui donne tout le sens qu'il a. Alors, l'élément déjà, même avant sa sortie, il sera capable de et pour ça, ce sera visible, il sera capable de faire toutes les interventions possibles sur les véhicules qui roulent ici, euh, au Sénégal, en partant des véhicules à carburateur, avec les véhicules diesel et les véhicules électroniques, qui ont beaucoup d'électronique. Je m'appelle Néné. Je suis au centre de formation Frédéric Ozonom en CAP2. Mécanique automobile, la majeure partie des filles, je vois qu'elles couture et restauration motax man ma ñëw choisir mécanique parce que parce que mécanique bi c'est un métier d'avenir wa amna naa si yaakaar bu baax ëlëk bëgg naa ibbi sama entreprise former sama élèves maa ngi leen di woo pour ñu ñëw suivre la section mécanique automobile parce que c'est un métier qui participent au développement d'un pays. je euh, suis moniteur en C'est un métier nga c'est pour ton avenir de demain parce que tes parents li def ci yow ko amana ko mais en tant que jeune relève Les salles que vous voyez, en fait, euh, on les utilise pour tout ce qui est cours d'enseignement général, le français, les mathématiques, l'anglais, la technologie, la nutrition, bref, tout ce qui est cours théorique. Euh, ces salles ont été mises en place par des bienfaiteurs euh, français. m'appelle euh, Jeanne-Agnès Diouf, formatrice en énergie solaire et en électricité domestique. Au centre, on travaille avec euh, les élèves euh, en TP pour leur faire savoir l'installation solaire. Comment ça se passe C'est-à-dire une installation avec un panneau, une batterie, un régulateur et en même temps l'installation domestique. Comme par exemple ici, on a un panneau, un régulateur, une batterie un simple allumage avec euh, une seule lampe. Pour ce qui est du solaire, c'est un métier d'avenir. Actuellement, au Sénégal, on a le soleil. Donc, on peut en profiter pour faire les installations solaires et ne plus dépendre de la Sénélec ou bien faire l'installation domestique et en même temps l'installation solaire avec un inverseur. S'il n'y a plus d'électricité de la Sénélec, on peut inverser on peut mettre un inverseur et basculer vers l'installation solaire. Nous avons euh, formé ce centre-là pour essayer vraiment de donner un enseignement de qualité parce que aussi, les enseignants ne sont pas choisis comme ça sur le tas. Euh, la preuve, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait 45 ans de direction dans une école, euh, dans les écoles primaires et autres. Bon, ce qui fait que donc on n'a pas de difficulté pour essayer de rendre notre connaissance ici aux enfants. Maldo o fogole may simna nun nun pop na ko nun ko na Elisabeth Diouf jangta Frédéric Frédéric Ozanam en deuxième année mais xeɗanu nun parent ke nu ngaƴo xa ɓiy dangaro nun Frédéric Ozanam parce que meke y a la qualité euh, a cangale faaxa a cangnale faaxa to o sutwanga restauration ke ɓisiidonga meen xana waag no fi a paax a paax man moom may ñaax eh, parents yëpp koo xamante ne daal yaa sadom sa doom eh, yeneen école yoo xamante fay bi dafa cher wala leneen ak leneen nga xam ne sa bi am niveau mais dafa eh, xaw am dépression ci leçon yeeg yooyu mën nga koo bàyyi mu ñëw def formation bi parce que formation bi mom, formation bu baax la école bi normal na jàngale bi baax na dangay def pratique def lépp mbaɗɗon onon bandiraɓe halpuraɓe ko hawa bi etem ko hikka mi ari ɗo jang jangde ndene moji mo jogii biwum fof omo waawi addude ɗum ɗo centre frédéric ojanam jangde ɗe moji. moƴƴi de saful onasan onosan kareso reso ka safol jeka kareso alfred bertin baji ñoom nekin taatu mbour vraiment centre e jiju mati kusene sen éducation e jake wojoojde law ko parent manku ŋaru ku ñool yi ku inscrit di école centre parce que wakku way ende beaucoup de filières filière sos do djop on sanamange formation en mécanique auto en restauration électricité couture tout ngol nu inscrit dede ku professeur kok do kan manje ku ngole ngole broka bol yi ku kane kan encadrer, encadrer vraiment les jeunes. avant tout d'abord, je tiens à remercier l'école, puisque c'est à travers cette école-là que j'ai eu mon diplôme. Et c'est qui va c'est à partir de cette école-là aussi que j'aurai peut-être bien un boulot. Et ce qui m'a motivé à venir dans cette école-là, c'est que j'ai eu à voir leurs propositions dans plusieurs filières. Celle qui m'a importé et qui m'a intéressé, c'était bien la restauration, puisque je l'ai aimé depuis toujours et j'ai pu le réussir aussi. Je tudd de euh, depuis 2018 l'année où école commencé à travailler école 2018 j'ai fait deux ans ici euh, c'est en euh, le 12 septembre 2020 que j'ai obtenu mon CAP ici au centre

que vous appelez une forme d'université professionnelle, a pour fonction d'avoir acquis un savoir, un savoir-faire et un savoir-être dans un métier. C'est ce qui permettra au Sénégal de développer l'économie. L'économie ne peut pas se développer uniquement avec des fonctionnaires. L'économie doit se développer avec le domaine privé et avec tous ces jeunes qui sont l'avenir de l'entreprise. Je terminerai par un mot par une expression qui est écrite sur tous nos documents. Ici, l'exigence est au service des talents des jeunes. Si on n'était pas exigeant, on ne serait vraiment pas honnête. On ne serait pas honnête avec eux. Et comme ce sont des jeunes pleins de capacités, on doit être terriblement exigeant avec eux.